En vérité, cette année, la saison de pluie est venue avec beaucoup plus d'incertitudes. Mais on ne peut que dire Dieu merci, car en une et deux semaines, tout est rentré dans l'ordre. Adama garant parmi 3378 villages, 3368 ont sémé. Seulement 10 villages n'ont pas fait de même. Au total, nous avons 99,7% de semences déjà effectuées. Alors on ne peut que souhaiter la grâce de Dieu pour que tout soit favorable. On eut quelques problèmes dans le département de Dungas, de Kanché et de Myria. Mais grâce à Dieu, des solutions ont été trouvées. Nous voulons que les gens comprennent que, avant d'utiliser les pesticides, il faut d'abord mesurer la quantité des insectes sur le champ de culture. La vue de deux ou trois kilkés ne doit pas nous alarmer. Le mieux serait de prévenir un agronome pour qu'il étudie le cas avant toute décision, car les produits nécessaires sont à disposition. Après ça, en bref, pour les préparatifs de cette campagne agricole, dans l'actuel arrivage de la région, l'État a investi en matière de semences et engrais une somme estimée à 1,8 milliard de francs CFA. En matière de culture irriguée et de contre-saison, au cours des six mois passés, l'État a investi près de 5 milliards de francs CFA avec ses partenaires pour permettre aux habitants de profiter des cultures de compte saison. Nous attirons l'attention des, habitants de la région au rangement des différents canalisations d'eau de pluie, les mares et les cours d'eau saisonniers pour une utilisation ultérieure en cas de prévisions un peu défavorables pour la culture des produits de première nécessité. Cela fait partie du programme du président de la République qui est l'initiative 3e. Pour que l'alimentation suffise et les produits, nous avons tenu aussi à attirer l'attention des agriculteurs et dans le respect du cadre de l'ordre, la cohésion sociale pour que la paix perdure.